le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangu. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Magaria, Mainasoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Pour le forum de ce mardi 14 mars, nous avons choisi de vous parler de deux maladies, la tuberculose et le VIH-Sida, ou du moins, pour être plus précis, du lien entre la tuberculose et le VIH-Sida. Ces deux maladies n'ont à première vue aucun lien, mais dans les faits, ils sont liés et les chiffres le prouvent aisément. À l'échelle mondiale, par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 14 millions de personnes sont à la fois atteintes de la tuberculose et du VIH et malheureusement 70% d'entre elles se trouvent en Afrique subsaharienne, des pays comme le Niger. Selon les spécialistes, la tuberculose est la principale cause de mortalité chez les personnes séropositives et elle joue un rôle dans la moitié des décès dus au sida. Pourquoi Eh bien parce que le VIH détruit le système immunitaire. Conséquence, les personnes séropositives sont 50 fois plus susceptibles de développer un cas de tuberculose active que celles qui sont séronégatives. Selon l'OMS, le lien entre les deux maladies ne fait que croître chaque année. Au Niger, la co-infection est une réalité et les données officielles de 2016, par exemple, font état de plus de 10 000 cas de tuberculose déclarés. Plus de 7 500 ont accepté de se dépister et quelques 370 personnes sont co-infectées, soit 55% de la population malade. Nous allons nous en tenir à ces chiffres parce qu'il y a des acteurs qui sont là pour informer, nous informer davantage sur cette co-infection des acteurs que nous avons invités pour mieux en savoir donc sur le lien entre le sida et la tuberculose. Nos invités donc, euh, M. Boubou Mamoudou à ma droite, il est le point focal de l'Observatoire communautaire pour l'accès aux soins de santé au CAS Niger. Bonsoir Boubou. Bonsoir. Merci d'être venu. À ma gauche, M. Gambo Abdoulaye de l'Association nigérienne de lutte contre la tuberculose, ANLT. Bonsoir Gambo. Merci d'être venu. Et nous attendons d'une minute à l'autre docteur Jibril Sebou du Centre national antituberculeux CNT. Chers invités, merci une fois de plus euh, de, venir euh, à ce plateau. Le forum du studio, il faut dire que c'est un espace d'échange et de dialogue pour informer et édifier les auditeurs. C'est juste un échange, c'est une discussion dans le respect de l'autre. Alors, pour commencer, euh, on va essayer de découvrir vos, structures en attendant l'arrivée du spécialiste. Monsieur Boubou, vous représentez l'Observatoire communautaire pour l'accès aux, aux soins de santé. Qu'est-ce que c'est que cet observatoire Merci. Merci à la radio et merci à Amadou. OCAS, c'est l'Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé. Et cet observatoire travaille sur trois pathologies sida, palu et tuberculose. Et le travail que l'Observatoire est en train de faire, ça concerne un système de veille communautaire pour voir ce qui va, ce qui ne va pas sur 30 sites que nous avons choisis. Sur ces 30 sites, soit il y a les trois pathologies ou bien il y a au moins deux pathologies sur ces sites. Donc euh, l'Observatoire a lancé ses activités en août 2014 et à l'heure où nous sommes, nous avons au moins euh, trois, quatre rapports euh, qui nous donnent des informations précises sur la prise en de ces maladies sur ces sites. Donc la tuberculose, le paludisme et, et, cet observatoire et, les le sida. et cet observatoire est appuyé par l'initiative 5% de la coopération française. Et, c'est un partenariat aussi sous-régional. Comment, vous récoltez vos informations Nos, informations sont récoltées à travers des conseillers qui sont sur les sites ou bien des agents de santé qui sont sur les sites, qui sont formés qui, chaque semaine, chaque mois, récolte des informations et ces informations sont centralisées au niveau d'une coordination pour faire l'analyse, dégager les difficultés et, si possible, faire ses plaidoyers pour que les choses puissent s'améliorer sur ce site. Merci pour cette présentation. Nous allons donner la parole à M. Gambo Abdoulaye, qui est le président de l'Association nationale, de, ou du moins qui est de l'Association nationale de lutte contre la tuberculose, que vous allez présenter davantage. D'accord je suis Gamba Blay et je suis plutôt secrétaire général de l'Association nationale de lutte contre la tuberculose. Cette association existe depuis 2006. Ça fait déjà un certain temps. Et de ce jour à aujourd'hui, nous avons pu euh, mettre en place des bureaux au niveau de tous les départements et de tous les, les arrondissements, comme on disait avant. En tout cas, on a une couverture assez importante du pays sur le plan des, de l'association nationale de lutte contre la tuberculose. Qu'est-ce que vous faites concrètement Concrètement, nous, nous épaulons le programme et le CNAT. De toute façon, nous, nous, travaillons avec euh, la main dans la main, si vous voulez, avec euh, tous ceux qui s'intéressent à la tuberculose. Euh, en tout cas, merci d'être venu. Donc, notre thématique, c'est le lien entre la tuberculose et le VIH. Peut-être on va essayer de définir ce que vous entendez par cette maladie d'abord, la tuberculose, et puis la tuberculose d'abord, Boubou, de Ocas, Niger. Oui, merci Amadou. pour la tuberculose, je pense que depuis la découverte, il y a 135 ans, la tuberculose a fait des ravages et côté a fait des ravages. la tuberculose, aujourd'hui, dans la vision mondiale, on parle de la fin de la tuberculose d'ici 2020. Pourquoi Dans trois ans. Dans trois ans. Vraiment, c'est cette vision que l'OMS a lancée, que les partenaires ont, ont suivi, pour dire que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, la tuberculose, il faut dire que c'est dans nos régions, c'est en Asie. En Europe, on ne parle pas de la tuberculose, même si d'autres formes existent pour dire que c'est possible parce qu'il y a un traitement. Il y a des traitements efficaces pour finir la tuberculose. Ok, on va, on va venir à ce traitement. Monsieur Gambo, votre définition ben, La tuberculose euh, est une maladie, comme on, l'a dit, qui est infectieuse, infectieuse et contagieuse. elle se caractérise essentiellement par une toux persistante. Et l'agent causal, c'est le bacille de coq, c'est connu. Alors, on va définir de façon sociale. Quand on dit vous avez en face de vous un tuberculeux, <laughs> comment il se présente, M. Boubou Eh bien, qui est tuberculeux dit la peur. Euh, malgré tout, même quand tu tout, même si ce n'est pas la tuberculose, les gens se méfient. Et quand c'est la tuberculose, encore c'est pire, parce qu'il y a la peur d'être infecté. Et cette maladie aussi est liée à un certain nombre de choses, telles que la pauvreté, telles que certaines choses, et eh bien du coup, euh, dès qu'on dit tuberculeux, et puis voilà, les gens... Est-ce qu'il y a des traits physiques comme... Oui, les traits physiques, euh, bon, <laughs> c'est là tout d'abord, hein. Et souvent, la personne maigrit, et puis voilà, on peut estimer. Aujourd'hui, euh, tuberculose, sida, plus ou moins lié, parce que quand il est ah, on, voilà, on peut dire que est-ce qu'il n'a pas la tuberculose. Dès que tu tout tu as maigri, est-ce que ce n'est pas le sida Or, toutes ces images sont aujourd'hui des images euh, qui ne sont pas la réalité réalité. On verra ça. Euh, Monsieur Gambo, quelle est l'image que vous représentez qui, représente la, un tuberculeux un tuberculeux Le tuberculeux, c'est l'individu d'une euh, manière générale qui se présente sous forme de quelqu'un qui est extrêmement maigre qui n'a pas de force, qui est pâle. En tout cas, il y a un certain nombre de, traits qui, qui caractérisent ce malade-là. C'est quelqu'un d'aimé, est-ce est comme les autres malades Il est comme les autres malades, mais euh, du fait qu'il euh, perd énormément de poids pendant son infection, euh, tant qu'il n'a pas commencé là, le traitement, et eh ben, il ne fait que maigrir et c'est cela qui fait peur aux gens. merci pour ces précisions sur la tuberculose. Alors, on va aller à Dosso où notre reporter est allé au centre anti-tuberculose et où il a rencontré un malade et le responsable de prise en charge. Je vous propose de suivre son reportage. Abdul Razak, un jeune homme d'une trentaine d'années, un sachet en plastique à la main, vient de quitter le centre hospitalier de Dosso où il était examiné pour la deuxième fois en six mois. Il se rappelle encore de ce long moment passé vivant avec la tuberculose. Quand ça a commencé, je ne dors pas la nuit. Je tousse beaucoup et c'est comme si mes poumons vont sortir. Après avoir fait des traitements en ville qui n'ont rien donné, je suis parti à l'hôpital où ils m'ont dit que c'est la tuberculose. On m'a donné des médicaments pour trois mois de traitement. Une fois fini, j'étais retourné. Ils m'ont donné pour trois mois encore. C'est avant-hier que j'ai terminé le traitement. Le major m'a dit que je devrais prendre certaines précautions. Ne pas avoir faim, ne pas fumer la cigarette et, et de m'éloigner de la poussière. Maintenant, tout va bien. Dieu merci. La prise en charge des malades vivant avec la tuberculose est gratuite jusqu'à la guérison. Toutefois, des dispositions doivent être prises non seulement par les malades, mais aussi par son entourage, les conseils de Major Alidou Amadou. À moyenne par trimestre, j'enregistre jusqu'à 60, jusqu'à 80. Et toutes les formes. Il y a les formes euh, osseuses et il y a les formes pulmonaires aussi. Le traitement de la tuberculose dans sa globalité est gratuit. On ne paye rien. Il y a les médicaments. C'est un traitement, si on dit aux gens de payer, ça coûte plus d'un million pour une personne. Mais l'État donne les médicaments gratuitement à tout le monde. Il faut vite venir au niveau des centres de santé, que ce soit les CSI ou l'hôpital, pour se faire dépister. On va dépister, on va essayer de voir dans les crachats. Si c'est ça, on le traite. Si c'est pas ça, on va trouver autre chose. À Dosso, comme un peu partout ailleurs au Niger, la prise en charge de la tuberculose est gratuite, mais les gens hésitent encore à se faire dépister et à respecter les règles de la prise en charge. Daouda Hassan depuis Dosso pour les studios Calam. Voilà, euh, c'était là le reportage euh, de notre correspondant à Dosso sur euh, la prise en charge de la tuberculose dans la région de Dosso, plus spécifiquement dans le centre national centre régional anti-tuberculeux. nous revenons au studio où nous sommes déjà avec M. Boubou Mamoudou de OCAS Niger, Observatoire communautaire pour l'accès aux soins de santé, et M. Gambo Abdoulaye de l'Association nationale de lutte contre la tuberculose j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée tout de suite de Dr. Gibril, qui va se présenter rapidement. Merci d'être venu. Merci. Euh, présentez-vous à nos auditeurs. Bonsoir tout le monde. Et je m'excuse de ce retard, donc indépendant de notre volonté. Donc, euh, je me nomme Dr. Moussa Jibrilla. Je suis le pont focal tuberculose VIH au niveau donc, du programme national de lutte contre la tuberculose. Programme national de lutte contre la tuberculose. Je suis en même temps le premier rapporteur du comité national donc, euh, le comité national euh, conjoint tuberculose VIH, voilà, donc des deux euh, structures qui s'occupent de la lutte contre la, euh, la, tuberculose et le VIH. Voilà, merci docteur d'être venu. On va vous permettre de souffler un peu en attendant. nous allons donner la parole à M. Abdoulaye Gambo. Vous venez de suivre ce reportage. Qu'est-ce que ça vous dit Quel commentaire vous en faites Le reportage de Dosso. De Dosso. C'est sur la prise en charge. Hein, c'est sur, la, prise en, charge. Bon, c'est comme ça que ça se passe partout. Hein. Oui, la ah gratuité. la gratuité, oui. Et puis, euh, et puis vraiment, les, les agents en particulier chargés de, de, la lutte contre la tuberculose, sont des gens qui sont très disponibles. D'accord. Merci pour cet ajout, euh, docteur Gibril. Alors, nous avons parlé de la tuberculose. Votre définition technique euh, de manière technique, la tuberculose, donc, c'est une maladie infectieuse qui est causé donc, euh, euh, euh, par, le bacille, donc, et tuberculosis, donc, et mycobacterium tuberculosis. Donc, ce, ce bacille-là, c'est ça qui rentre dans l'organisme de l'individu et essaie donc de se multiplier pour amener la personne donc à la maladie. Cette maladie est de manière générale, les gens l'ont dans l'organisme, mais qui ne se réveille pas. Il est là donc de manière latente à des occasions, il se réveille. Qu'est-ce qui peut le réveiller Bon, donc le plus souvent dans la majorité, de manière générale, toutes les situations d'immunodépression. Qu'est-ce qu'on appelle immunodépression Les situations qui créent donc la baisse de la résistance de l'organisme, l'agression donc euh, euh, euh, d'un organisme extérieur à l'organe qui crée donc le réveil de la maladie. En l'occurrence, le VIH. Ce qui fait que de plus en plus, chez tout tuberculeux, le counseling pour le VIH est proposé. On propose donc aux patients de faire le counseling pour pouvoir essayer donc de voir est-ce qu'il a le VIH pour que des mesures puissent être prises. Parce que quand il y a le VIH, le VIH crée cette immunodépression et cette tuberculose qui est là, endormie, se réveille et du coup, le même individu va se présenter avec deux maladies qui sont vraiment très fatales. Hmm. Donc, ce qui va nous amener à parler du lien, qui est d'ailleurs le thème de, notre, euh, de ce débat, du lien entre le VIH et la tuberculose. Je vais donner d'abord la parole, avant de revenir à vous, docteur, euh, à monsieur Boubou Mamoudou de OCAS Niger, qui va euh, peut-être parler du lien. Quand est-ce qu'on a commencé à parler, même si vous n'êtes pas médecin, du lien entre ces deux maladies parce que la tuberculose, vous avez donné même la date, 135 ans. Le VIH, c'est un peu beaucoup plus, plus tard. Et le lien, c'est quand Eh bien, le VIH-Sida, on a commencé à parler à partir de 2000, la découverte même du virus. Mais c'est que le constat été clair. Lorsque les gens ont, la tuber, euh, ont le VIH-Sida, on constate que la première maladie opportuniste, c'est la tuberculose, comme vient de dire le docteur. Donc, du coup, le lien est clair. Et ce qui a fait que dans les années, dans la lutte contre le sida, du coup, les gens n'ont pas oublié la tuberculose. Nelson Mandela disait qu'on ne peut pas traiter le sida sans penser à la tuberculose. Et du coup, le mouvement est créé pour que le Fonds mondial s'est créé, pour que certains partenaires s'intéressent davantage à la tuberculose. Il faut se dire qu'avant, la tuberculose, c'est les parents pauvres euh, de, de, la santé. C'est là où bon, les jeunes ne s'intéressent pas. Même les médecins qui partent là-bas, souvent, c'est comme si on punit ces médecins pour qu'ils passent traiter les tuberculose. Mais, entre-temps, ce mouvement a fait, le sida a tiré en réalité la tuberculose, a donné à la tuberculose sa place. Parce que du coup, si on ne traite pas la tuberculose, eh bien, les, les malades du sida ne peuvent pas résister. Hmm. Parce que la première maladie opportuniste, comme on l'a dit, c'est toujours la tuberculose. La précision quand même pour le sida, c'est que la découverte, c'est en 87 pour le Niger, non en 2000. Non, j'ai dit en 1980, c'est-à-dire de façon mondiale, 82, 83, la découverte même oui. du sida, de façon mondiale, parce que la tuberculose, c'est déjà 35 ans déjà. Mais pour, la tuberculose, euh, pour le sida, c'est plus ou moins récent. Ok. Voilà. Monsieur Gambo, qu'est-ce que vous avez à dire sur le lien entre les deux maladies la tuberculose et le VIH Bon, n'étant pas un spécialiste de la question, je ne peux pas, <laughs> je peux pas entrer dans ces détails-là. Ce que je sais, c'est que c'est ce que ce qui a été dit, c'est effectivement il y a effectivement un lien entre euh, la tuberculose et le sida. Docteur Gibril, vous avez parlé du lien. Je voudrais que, vous soyez beaucoup plus profond. Est-ce que à partir de la tuberculose, on est forcément obligé de faire le. Ou bien il faut nécessairement le sida. Quelle est la maladie qui vient après l'autre en première ligne pour qu'on puisse penser faire le test des deux Ok, ce que j'aimerais euh, préciser. Donc, des efforts ont été consentis dans le monde depuis l'avènement de la tuberculose, y compris les vaccinations, beaucoup de choses se sont passées. Mais, comme venez le dire euh, donc, euh, donc Boubou l'émergence donc du, VIH a encore réactivé cette maladie dans le monde. Parce que c'est quoi Cette immunodépression que ça crée fait en sorte que tout un tiers de la population mondiale vive avec la, tuberculose de manière latente, donc de manière endormie. Mais comme le VIH a connu donc euh, une explosion mondiale, ce qui fait du coup tous les organismes internationaux donc euh, se sont orientés dans l'action de la, du VIH, les investigations ont montré que tous ces malades atteints du VIH réveillent la tuberculose en, première position. Donc, et cette tuberculose les tue. Par conséquent, il faut prendre des mesures pour essayer de préserver ces vies. Et pour préserver ces vies, pour préserver ces vies, ces deux maladies dont les traitements diffèrent. L'un, c'est un traitement de six mois pour la tuberculose. et l'autre, c'est un traitement à vie on ne guérit pas pour le VIH, mais ça améliore les conditions de vie. Tant qu'on prend les médicaments, les ça améliore les conditions de vie. Donc vous voyez, du coup, toute situation d'immunodépression doit amener le praticien à chercher la tuberculose. Et ici, de manière générale, la, euh, euh, tuberculose fait partie donc de ces maladies opportunistes qui, qui, engagent le, le, pronostic vital, vital du patient. Mm. Maintenant, en dehors donc euh, du, du VIH, il y a d'autres. De plus en plus, les pays sont en train de faire des études. On a démontré qu'il y a le lien avec même et le diabète qui crée une immunodépression. VIH, diabète. Tuberculose, diabète. tuberculose, diabète. Voilà. Qui est en train donc d'attirer de, de, la Peut-être on va revenir sur les autres euh, co-infections. Euh, le temps de vous demander peut-être quels sont la tuberculose a ses causes à part, le VIH a ses causes à part. Quelles sont les causes communes, si on peut l'appeler ainsi En fait. Et comment euh, l'union entre les deux se manifeste vis-à-vis du maladie Si on essaie de remarquer, c'est dans les pays pauvres que l'émergence de ces maladies la cause un problème majeur. Donc, du coup, il y a un lien avec la pauvreté, il y a un lien avec la précarité, il y a un lien aussi avec l'ignorance. Parce que l'ignorance en, ce sens où vraiment quand la personne sait, ne va pas hésiter à demander certains examens ou accepter certains examens. Euh, Monsieur Poubou, vous qui travaillez avec euh, les acteurs, vous qui êtes sur le terrain, comment ce lien se manifeste sur le terrain euh, pour les malades par exemple Je pense qu'on a répondu à cette question. Le lien, c'est vraiment deux que tu l'un, il faut vérifier l'autre. Ça, c'est inévitable. Aujourd'hui, dans la vision même, les gens sont en train d'aller vers ce qu'on appelle guichet unique. C'est-à-dire, dès que tu viens pour la tuberculose, automatiquement, les tests HIV est fait. Dans les centres de santé Dans les centres de santé. C'est lié. Dès que tu viens avec HIV, on vérifie la tuberculose. C'est-à-dire, les deux. Dès que tu as l'un, tu risques d'avoir l'autre. Parce que le système immunitaire, comme on l'a dit, est faible. Donc la porte est ouverte pour prendre une autre maladie. Oui, ça veut dire qu'il y a des données qui, prouvent ce lien entre les deux maladies. Docteur, vous qui êtes au cœur de, la situation, quelles sont les données que vous avez pour le cas du Niger Par exemple, si on prend eh, le cas de l'année 2016 qui, est en train de se terminer, donc de manière provisoire, parce qu'on est en train de compiler les dernières euh, euh, corrections, de manière provisoire, au Niger, on a dépisté 10 139 cas de tuberculose. 10 Dans 2016. Donc ces 10 139 cas de manière provisoire ont tous été soumis sous le traitement antituberculeux. Il n'y a aucun qui a raté donc euh, le traitement. Ils continuent à prendre ça dans ce qu'on appelle les centres de dépistage et de traitement. On en dénote au Niger au moins 200, un peu partout dans les centres de centre santé. de traitement de tuberculose. Voilà, il en a au moins 200 dans les centres de santé bien identifiés pour essayer de renforcer donc la prise en charge. Maintenant, dans ces 10 139, combien ont accepté de faire le test Parce que on n'oblige pas forcément, tu dois faire. Non, on te propose. Dans ces 10 000, on a 7 589 qui ont accepté volontairement de faire le test. Alors, Ceux qui ont la tuberculose acceptent de, se dépister VIH. Voilà. on leur le, counseling, le counseling, elle dit, bon, voilà, donc tu, as intérêt de faire parce que en dehors de la tuberculose, il y a quelque chose qui peut se cacher. La prise en charge, quand on fait des deux, si toutefois ça s'avère positif, ta vie sera ah, donc ah, dans des conditions meilleures que de traiter une seule maladie. Parce que là, vous constatez que c'est une seule personne avec deux maladies. Un terrain avec deux soldats qui sont en train de combattre contre une, une personne. Maintenant, dans ces 7589 personnes à qui on a fait le test, 370 ont été positifs. Ils ont euh, les deux maladies. Ils ont les deux maladies, les 370. Donc vous voyez, maintenant ces 370-là, la prise en charge doit être optimale. On doit leur donner d'abord le traitement de la tuberculose et aussi leur assurer le traitement du, du, on, va, revenir sur le traitement, sur la prise en charge de ces deux maladies le temps de donner la parole à M. Gambo, qui est de l'Association nationale de lutte contre la tuberculose. Et sur quoi vous mettez, quand même, vous rencontrez les malades, vous discutez. sur quoi vous mettez l'accent sur le lien entre ces deux maladies, en termes de conseils, par exemple, ou d'échanges Contrairement à ce que vous dites, nous ne nous, nous, approchons pas. Enfin, c'est pas que nous nous approchons. Je veux dire que nous ne travaillons pas avec les malades c'est les Vous appuyez le programme. Voilà. Et dans quel domaine ben, Quand il y a des, missions de sensibilisation, euh, quand il y a des, messages euh, à, transmettre aux, aux populations, bon, on peut, on peut aider dans ce sens-là puisqu'on est, on est représenté assez largement sur le terrain. Et vous, sur quoi vous mettez l'accent Ces messages-là, c'est quoi C'est sur quoi C'est sur la, maladie elle-même, sur la, tuberculose. Hum. Comme quoi, par exemple Vous avez en face de vous un malade, qu'est-ce que vous lui dites Pas un malade. Quand nous, quand des populations qui ne savent pas ce que c'est la tuberculose. Voilà, nous leur définissons ce que c'est que la tuberculose, nous, nous, leur euh, euh, faisons comprendre comment éviter ça. Et quand on en est atteint, quelles sont les précautions qu'il faut prendre, etc. etc. Mhm. C'est dans ce sens-là, c'est des, des, actions de sensibilisation par rapport à, la lutte contre la maladie. Comment contracter Comment La tuberculose ou bien Non. Quand ils en sont atteints, atteints euh, nous leur faisons savoir que on peut, on peut prendre des dispositions qui vont empêcher que la tuberculose ne, ne, soit trop grave. Il y a des mm. dispositions mm. à prendre. La parole à Boubou. Vous, vous, êtes aussi sur le terrain comme Gambo. En parlant du lien, euh, le docteur a donné des chiffres. C'est à peu près 5% de la population. Nous avons les, euh, qui, qui, de la population dépistée tuberculose qui est. Qui, quand vous prenez les malades tuberculés, si on en croit docteur, 5%. Mm. Mm. Est-ce que c'est un chiffre révélateur Est-ce que c'est un grand chiffre pour vous Est-ce que c'est inquiétant Non, ces chiffre moi, je sous-estime ce chiffre en se disant que ceux qui ont refusé de faire les tests aussi, pourquoi C'est ça la question. Comme ce n'est pas obligatoire, certains vont refuser. Ils vont même préférer aller dans un autre centre pour faire d'autres tests. il y a tous ces paramètres. Mais vraiment, c'est un chiffre, si tout le monde accepte de le faire, tu vas trouver que vraiment c'est un chiffre quand même qui représente 20 euh, euh, à 30 de ceux qui sont concernés par la tuberculose. Docteur Gibril, quels sont les, dangers liés, liés, à ce lien entre tuberculose et VIH Quelqu'un qui est déjà tuberculeux, euh, c'est un problème et ça ajoute encore la, le, le VIH. Bon, cet individu-là, donc, euh, du coup, il devient très vulnérable. Il est exposé à toutes les infections opportunistes que le VIH peut réveiller, dont entre autres le pire, la tuberculose. Donc ça veut dire que au pire, cette personne-là est exposée à ce qu'on ne veut pas entendre, la mort. Tant que la personne donc euh, ne suit pas donc euh, les, les, conseils de son praticien, à coup sûr, la personne a fait la tuberculose. Ça, c'est accepté, c'est admis. Mais s'il n'a pas fait le VIH, dans, dans le recensement de ce malade, dans l'évaluation de ce malade déclaré tuberculeux, vous allez découvrir des décès. Mais ces décès-là, la majorité sont des, des cas de VIH. Dans ceux qui ont déjà accepté le test, mais sans preuve, on peut aussi se dire que probablement ces malades tuberculeux qui décèdent ont un statut positif. Mais comme ils ne l'ont pas fait, jusqu'à preuve de contraire, vous voyez, on ne peut mais quand on prend par exemple la, PMT, l'enfant et la maman, euh, c'est une obligation de faire le test, le dépistage, j'allais dire. Pourquoi vous ne le faites pas pour le cas du, des deux maladies pour le tuberculeux, pour le Non, il y a, des, des textes de loi qu'il faut respecter. Il y a des textes de loi dans ce sens. Or, dans les textes de loi, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, c'est toujours dit de proposer d'abord, attendre le consentement de ce patient. C'est ton patient. Mais maintenant, avec euh, tous les renseignements et tous les dangers auxquels la personne est, est soumise, c'est la confiance avec son prestataire. Si la personne a vraiment confiance en moi, il va accepter on va aller à Gadez euh, pour vous proposer un autre reportage où, à Gadez où le taux de la co-infection tuberculose VIH est assez élevé avec 9% de la population dépistée selon les statistiques du programme tuberculose. Alors, comment se fait la prise en charge là-bas Notre correspondant dans la région, Moussa s'est entretenu avec le responsable du centre anti-tuberculeux. Généralement, les malades viennent d'Agadez, CHR. C'est de là-bas que les médecins les réfèrent au niveau du centre. Donc, arrivé ici, d'abord, la première des choses, on pèse le malade. Après le peser, on éclaircit le malade sur la prise des produits. Comment se fait la prise des comprimés La prise des comprimés se fait en fonction du poids. Donc, de 30 à 39 kilos, le malade doit à deux comprimés par jour. Donc, de 40 à 54 kilos, trois comprimés. Supérieur ou égal à 55 kilos, quatre comprimés. Donc, les comprimés sont là. Ça, c'est le traitement intensif. Il y a quatre molécules. Donc ça, le malade doit prendre ça en fonction du poids pendant deux mois. Après les deux mois, on change les comprimés. Deux mois ici, quatre mois là-bas, ça fait six mois. Tout est gratuit. Vous recevez euh, quel genre de patients Pour le moment, on, reçoit les, tous les patients, c'est-à-dire les enfants et les adultes. Pour le moment, on ne reçoit que les adultes. On n'a aucun enfant. Présentement, j'ai 20 malades en charge, tous des adultes. Donc ces 20 malades, ils ne sont pas hospitalisés ici Non, non, ils ne sont pas hospitalisés. Bon, parce que pour <laughs> le moment, le traitement, c'est à titre externe. On donne les produits aux malades et ils prennent ces produits à la maison. Vous ne pensez pas que c'est une maladie contagieuse, les, les à la maison, ils peuvent contaminer d'autres Bon, je ne dis pas non. Le malade, quand il vient, après une semaine de traitement, le malade n'est plus contagieux. En principe, on donne pour la première semaine avec des conseils hygiéniques. on suppose que le malade ne peut pas infecter un autre. Pour le moment, c'est pas totalement présentable le service ici. Parce qu'il n'y a même pas de manœuvre pour le moins ici. Et généralement, les malades n'aiment pas rester ici. Les malades doivent être conscients de leur, de leur maladie d'abord. Surtout, surtout la prise des produits. Parce que une fois que le malade abandonne ses produits, c'est un échec. Pas pour lui seul, pour tout le monde parce qu'elle peut infecter beaucoup de personnes. Vous venez de suivre euh, Major Salif Allo au micro de notre reporter Moussa Maman dans la région d'Agadez sur le, euh, traitement de la tuberculose au centre anti anti-tuberculeux. Docteur, nous revenons au studio avec nos invités, Boubou Mamoudou de <clears throat> l'Observatoire OCAS et M. Gambo Abdoulaye de l'Association nationale contre la, de lutte contre la tuberculose et Docteur Gibril du Centre national anti tuberculeux Docteur, je vais commencer avec vous sur la prise en charge des deux maladies. Comment ça se fait Bon, je rappelle, moi, je suis du programme. le programme, euh, programme national de lutte contre la tuberculose. Merci. La prise en charge, donc, ça se fait. un, un patient déclaré co-infecté, tuberculose ou VIH. Quand le patient vient, l'urgence d'abord, c'est la tuberculose, parce que c'est ça qui va accélérer le décès. Donc l'urgence c'est d'initier immédiatement et tout de suite le traitement antituberculeux. Donc on initie et du coup, de manière spectaculaire, en deux semaines, le patient là, son, son état de santé s'améliore. Il va commencer à prendre du poids, il va commencer à manger et en ce temps, on complète son traitement d'ARV à vie. Est-ce que tout est gratuit quand il s'agit de maladies dans les centres de santé, vous avez parlé de 200 centres de santé. Pour le cas de la tuberculose, alors pour les deux maladies, est-ce que c'est la gratuité aussi Tout est gratuit, y compris la tuberculose et le VIH, y compris les examens. Et, du coup, même il y a certains examens qui sont en train d'être même revus pour essayer donc d'améliorer donc la prise en charge dans, le sens de la gratuité. Je rappelle même dans le, domaine de, de l'avancée de la technologie, il bénéficie même le test de ce qu'on appelle le test du expert. Donc le test expert, c'est une avancée donc de, de, la technologie qui permet de dépister la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. Parce que chez, eux, le dépistage du crachat est un peu difficile parce que les bacilles n'arrivent pas à être facilement identifiés au microscope. Mais du coup, comme le gain expert est une avancée et d'ailleurs, même le programme est en train de faire des, efforts pour l'étendre dans toutes les régions du Niger pour que l'accessibilité de ce, de ce test-là puisse être disponible partout où le besoin est. Donc, c'est une avancée. Parce que là, du coup, on va avoir le maximum de preuves de, l'existence de la tuberculose avec euh, la personne. Donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter si on est d'accord pour faire le dépistage toutes les conditions sont réunies pour être traitées, si je vous comprends bien. En, dehors de ces conditions-là, il y a même la disponibilité. Parce que chaque fois, les produits, il y a la disponibilité des produits, il y a la disponibilité donc des, tests pour faire ces, examens. Euh, Monsieur Gambo Abdoulaye, un mot sur la prise en charge et comment vous soutenez le programme par rapport à cet aspect-là, le programme national de lutte contre la non, c'est toujours par la sensibilisation des populations vous mettez l'accent sur quoi On met l'accent sur la, volonté que doit, avoir le malade d'aller vers les centres de santé, se faire dépister. Et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, tout ça. <laughs> Monsieur Boubou, Monsieur docteur a parlé de gratuité de soins qui est effective, aussi bien pour la tuberculose que pour le sida et pour les deux, la co-infection. Est-ce que c'est effectif dans la réalité <laughs> Merci Amadou. Et merci à Docteur aussi. Hein. On travaille toujours ensemble. Je salue son engagement. Néanmoins, c'est un débat. Hein. Je, je, dois ne pas le suivre dans ce qu'il a dit. C'est vrai, tout est gratuit. Officiellement, tout est gratuit. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient dans un centre de santé, les produits sont gratuits. Mais les examens, souvent, il faut payer il faut sortir du cadre pour payer. Et on l'a dit, c'est des personnes très vulnérables. Et eh puis, s'ils n'ont pas ces moyens, ils ne vont pas recevoir le traitement. Des examens sont si chers pour ne pas le faire. Il y a des examens qui sont chers pour ces personnes. Je donne l'exemple de la radio. La radio pulmonaire. Hmm. Souvent, c'est demandé, c'est exigé. Donc, c'est 4 000, 5 000. Souvent, dans ta localité, ce n'est pas disponible. Souvent, ce n'est même pas en termes de coût, mais en termes de disponibilité il parle des guides experts. Cet appareil qui est en train de révolutionner la prise en charge. Niger a commencé à utiliser ça. Aujourd'hui, ils ont combien Moi, je revenu de Dakar. Je sais que Dakar a 15. Burkina a 15. Les pays Afrique australe, il y a des régions où il y a cinquantaine, quarantaine. Ils ont laissé tous ces blabla-là parce que ces appareils sont vraiment sophistiqués. Ces appareils permettent de faire au moins une vingtaine euh, euh, d'examens. C'est-à-dire, il suffit de changer juste les réactifs pour faire certains trucs-là. Donc, c'est vraiment la révolution par rapport à la prise en charge, ainsi que par rapport au traitement. Aujourd'hui, il y a des traitements aussi révolutionnaires. Au lieu de faire 9 mois, 6 mois, on peut faire en sorte que les patients fassent rapidement son traitement et c'est dans, dans un état de santé vraiment. Voilà. Donc, par rapport à l'observatoire. Quels sont les autres handicaps, oui Par rapport à l'observatoire, nous avons dit hein, Aujourd'hui, par rapport au refus de se dépister, c'est grave. Quand tu as la tuberculose, le VIH, sida, on te propose de te dépister, HIV, il y a un refus, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si la personne comprend l'intérêt de se dépister, elle va le faire. Mais à quoi nous assistons Je donne l'exemple du, centre de Sénatier Niamey. Aujourd'hui, le Sénatier Niamey ne dispose pas d'un psychologue. Qui conseille, qui fait le conseil. Voilà, docteur Gibril, praticien docteur il voit les problèmes, il prend ce qu'il suit. Ok. Mais l'aspect psychologique de la chose, il ne dispose pas. Quand la personne refuse, il faut comprendre pourquoi elle a refusé. Il faut aller au fond. Il faut l'accompagnement pour qu'elle puisse comprendre et que cette personne soit sauvée. Parce qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui, dans notre sous-région, avec tout ce qu'il y a comme traitement, on parle de 10 000 morts dans la sous-région. Liés à la tuberculose. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour la... C'est comme Ebola. Donc il y a l'examen de radiologie, euh, Souvent, le problème. le counseling. Voilà, les counseling, vous avez les déplacements pour aller vers les centres. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi Il faut aller vers ce qu'on appelle les guichets uniques. le déplacement des malades. Le déplacement, parce que les centres, il, dit, il parle de 200 centres. Oui. Sur le papier, effectivement, il y a 200. Mais ces 200-là, tout ça fonctionne Ça fonctionne comment Avec tout ce que nous savons comme démotivation de nos agents de santé. Donc, euh, ce sont les difficultés que ces patients rencontrent, que nos conseillers nous remontent, et sur ça, nous faisons ce que nous pouvons. Nous les interpellons. On va, donner la parole à docteur Gibril. Vous qui êtes du programme, euh, quels sont. Euh, en tout cas, il y a eu pas mal de manquements qui ont été dits par Boubou. Je ne sais pas comment vous allez répondre. Vous avez parlé d'effectivité en tout cas. Oui, on a bien écouté Boubou. Et peut-être c'est un rappel par rapport euh, aux, données, parce que vous avez donné les données d'Agadez, qui fait jusqu'à 9% de positivité, mais DIFA fait 17%. Pourquoi euh, hein? La situation de DIFA, il faut essayer de comprendre, la situation de DIFA est très précaire. À cause de l'insécurité Justement. Donc ça veut dire que même l'accessibilité donc, au, au, centre cause problème. Ce qui fait que, du coup, les matériaux sont là. Les réactifs sont là. Mais maintenant, il faut faire la nuance entre la, parce que c'est une complémentarité entre les deux programmes. Tuberculose VIH. Du côté de, la tuberculose, il n'y a jamais eu de rupture. Le malade est ravitaillé à temps. Donc la dotation qu'il doit percevoir à temps. Les examens qu'il doit avoir, quelle que soit la révolution donc dans la technologie, la microscopie qu'on a ne peut pas remplacer ces examens-là. En Afrique du Sud, ils ont fait en sorte que tout le pays soit couvert par ces guines experts. Mais ils étaient obligés de revenir faire la bacilloscopie avec les microscopes. quand vous parlez de complémentarité, c'est le programme tuberculose, la coordination intersectorielle de lutte contre le sida, c'est des institutions étatiques. Qu'est-ce qui manque pour que les institutions soient ensemble et puis l'effectif pour assurer l'effectivité de la prise en charge Non, ils sont ensemble parce que déjà il y a un cadre. Boubou fait partie de ce cadre de concertation l'association donc aussi fait partie de ce cadre. Ce cadre-là, c'est pour se concerter et essayer donc d'améliorer ces, insuffisances. En dehors de ça, au point de vue ravitaillement, il y a aussi un autre comité pour l'approvisionnement en médicaments. Donc on expose les besoins pour essayer de faire. Les manquements de terrain, ça, il faut sortir pour les comprendre. C'est les supervisions. Mais dans les supervisions, les rapports qu'on reçoit, les rapports qu'on fait, les, les rapports qu'on fait, et les déplacements sur le terrain, ce n'est pas tout le temps que vous allez constater directement les insuffisances dont vous en fait cas. La radiographie, je me souviens, présentement les gens sont là-dessus parce qu'il y a une ligne par rapport à la gratuité de la prise en charge par rapport à, cet aspect de la radio. Mais comment mettre les EHPAD de l'État dans ses, droits ces débats sont en cours. On va essayer d'être, on va prendre l'aspect conseil pour terminer puisqu'il ne reste pas grand-chose. Euh, Monsieur Gambo, euh, vous, qui êtes, accompagnez le programme tuberculose, quel est le conseil que vous avez envie de dire aux populations pour que euh, nous, soyons, nous faisions face à ce lien entre tuberculose et sida ou hein, les deux maladies Quel est le conseil que vous, avez Le conseil, il est très simple, hein, c'est de... Pardon. Euh, le conseil, je disais, il est très simple, c'est de ne pas avoir peur puisque les, les institutions de la santé, les, services, etc., les agents, tout ça, c'est à la disposition des malades. Merci. Boubou, rapidement, puisqu'on est à la fin, qu'est-ce que vous, ah, sur quoi vous concluez pour que sur euh, une faiblesse par rapport à la participation communautaire à la lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, nous avons une association, il est vrai, mais avec quels moyens Pour toucher les gens, pour sensibiliser les gens. Je pense que la semaine passée, les 24, c'était, euh, on parle de la journée mondiale lutte contre la tuberculose. Mais en dehors de ça, il y a quoi Il n'y a pas grand-chose. Donc les communautés doivent s'engager davantage. Pour que c'est leur affaire, hein, il faut le dire. Il faut qu'aujourd'hui, on, on ait une association des anciens tuberculeux, fonctionnels, des gens qui ont souffert pendant un temps, qui aujourd'hui sont prêts à aider. Ils sont mieux pour pouvoir pousser les gens à accepter le dépistage, pour conseiller les gens. Et l'autre conseil, je demande à nos gens d'être encore l'engagement plus fort des politiques pour pouvoir empêcher tous ces morts. Et l'autre aspect, nous constatons toujours une faiblesse par rapport à la prise en charge pédiatrique des tuberculeux. Docteur, D'accord. Docteur, pour finir, un conseil pour les malades et ceux qui ne sont pas malades sur le euh, lien de le VIH. Très pratique. Voilà. Donc, euh, le conseil vraiment, c'est d'axer donc tous les regards sur la prévention. Et quand on parle de prévention, c'est dépister, guérir. Parce que tant qu'on dépiste, on ne guérit pas. On a mis donc euh, ce malade-là dans la société qui va contaminer. Or, tant qu'on arrive à dépister et que la prise en charge de manière vraiment courante, elle est disponible et gratuite. Je pense que la personne doit adhérer à, à, à, cette logique. Quel qu'en soit, que ce soit la tuberculose, tu acceptes le dépistage, et le VIH qui accepte le dépistage, la guérison est au rendez-vous. Merci beaucoup, euh, docteur, pour ces conseils. Docteur Jibril Moussa du Programme national anti-tuberculose, M. Boubou Mamoudou, euh, du Point Focal de l'Observatoire communautaire pour l'accès aux soins de santé au CAS Niger et Gambo Abdoulaye de l'association nigérienne de lutte contre la tuberculose. Ils nous ont accompagnés euh, pour mieux expliquer le lien entre la tuberculose et le VIH-Sida. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et demain pour une autre thématique.